Bonsoir, chers téléspectateurs de PCS TV, avec votre site internet www.pcsgs.com. Merci de nous retrouver sur votre plateau Précise Éducation Yar Yaro Yété. Toujours avec ma consoeur Diari Kamara qui était absente depuis, et maintenant elle est là, elle est de retour. Diari, bonsoir. Euh, merci de nous retrouver sur ce plateau. Merci, tonton Diawé. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs euh, de Précise TV c'est encore un plaisir euh, de vous retrouver sur votre émission Précise Éducation avec toujours mon confrère Djawé Kouate. Merci Gary. Euh, Gary, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation comme d'habitude. Euh, après cette campagne, la campagne de cette année-ci, que vous avez bien vécue à 100% avec les collectivités éducatives, Gary, pouvez-vous nous rappeler le thème de cette campagne Merci. Le thème de cette campagne, je pense que si je n'ai pas <laughs> oublié, parce que ça fait un un moment, donc c'est euh, les collectivités éducatives et capture du dividende démographique. Effectivement, les collectivités éducatives et capture du dividende démographique. C'est un thème que dégage le ministère de la Jeunesse chaque année euh, avant la campagne, n'est-ce pas mm, C'est ça. Et vous avez travaillé sur ce thème Oui, cette année, on a beaucoup travaillé sur, sur ce thème parce que c'est un thème qui vient en son heure. Parce qu'on ne peut pas parler euh, de dividendes démographiques sans pour autant intégrer les enfants. Et nous, notre cible, ce sont les enfants. Mm-hmm. Donc, euh, comme les enfants, ce sont les, adultes de demain, et la capture, c'est à l'horizon 2035, je pense que d'inclure les enfants, impliquer les enfants dès le bas âge, est, vraiment un acte à saluer. C'est pourquoi cette année, on a eu à travailler sur ce thème. Merci beaucoup. Voilà, donc quand on parle de capture de dividende démographique, euh, on, peut dégager euh, l'aspect ou bien le thème, orienter le thème à plusieurs secteurs. Par exemple, la santé, euh, la formation et l'éducation. Mais Yari, on va parler de l'éducation. Mhm. Alors cette fois-ci, on va parler de l'éducation des jeunes filles, surtout. Donc je crois que quand on parle de capture de dividende démographique, avec l'éducation des jeunes filles, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire en tant que moniteur diplômé de côté éducative, mais aussi enseignante spécialisée à l'INEVIA. je sais que aussi vous êtes dans une association où le genre est tellement marqué et bien représenté. Donc, Diary, avec votre expérience, pouvez-vous nous parler de l'éducation des jeunes filles actuellement voilà, merci beaucoup. Bon, je pense que c'est une question très pertinente parce qu'on est, on est bientôt, on va entrer dans le mois de mars qui est euh, au mois dédié aux, femmes. Et qui dit femme dit d'abord fille. On est d'abord fille avant d'être femme. Je pense qu'avec le thème de cette année, la, euh, la capture du dividende démographique, donc, on ne peut pas parler de, de dividendes sans pour autant, euh, sans pour autant euh, creuser l'éducation. L'éducation est la base de tout, euh, de tout, tout, développement. L'éducation est la base de tout développement. Et quand on parle de l'éducation, nous, nous, savons que maintenant, dans notre société, les, les, filles, donc la couche féminine, est beaucoup plus importante que, le, que, la couche masculine. Donc, si on dit que le dividende démographique, la, une bonne capture du dividende démographique, il faut se baser maintenant sur le fait. Pourquoi parce que si, la, population féminine est beaucoup plus importante et que la population masculine est moins importante, et si la population masculine doit supporter la population féminine, et si cette population est beaucoup plus importante, si on ne crée pas euh, cette éducation, cette, cette couche-là, si on ne propulse pas cette couche-là, je pense que pour avoir cette, euh, cette, cette capture ce sera très difficile. Et nous, on a dit que pourquoi les filles parce que c'est la tendance, c'est quoi C'est que les filles de l'école, de l'élémentaire, au moins, nous constatons que les filles sont beaucoup plus nombreuses dans les, dans les, dans les classes. Donc, ils dominent, les filles, elles dominent maintenant les, les, classes. Mais à partir maintenant de la troisième, du secondaire, donc qu'est-ce qu'on constate On constate que ce sont les garçons maintenant qui poursuivent, qui les, les, les, études. Mhm. Et, c'est dû à quoi C'est dû à plusieurs, plusieurs facteurs. Mhm la déperdition, l'abandon, les grossesses précoces, les mariages précoces. Il y a beaucoup de facteurs qui tournent autour de, autour de ça, qui fait que, euh, qui fait que euh, les filles au niveau maintenant du, du, second, mhm. donc on, le, taux de, scolarité des filles baisse. C'est pourquoi nous, on se concentre sur l'éducation des filles. Mhm. Et moi, en tant que coordinatrice de la cellule genre de l'INEFJA, j'ai, euh, bon, bien vrai que je travaille avec les, les, les, garçons, et que je, que je salue de passage, mais je m'appesantis beaucoup plus sur l'éducation des filles, mhm. parce que c'est un peu plus difficile à, hein à ce, niveau Effectivement, c'est un peu plus difficile à ce niveau parce qu'actuellement, nous savons qu'au Sénégal, euh, la population féminine est plus importante que celle masculine. Donc, Diary, vous avez parfaitement raison. Mais il y a un blocage au niveau de l'éducation. Vous l'avez tantôt dit, euh, qu'il y a un certain niveau où on ne voit que les garçons au niveau de la scolarité, la scolarité et au niveau des emplois. Donc, on dirait que les filles démissionnent ou bien euh, ne sont pas considérées. Alors, quel est le problème Quel est le problème à ce niveau, le phénomène euh, qui cause euh, le, fait fait qu'à un certain temps, on ne voit plus assez de filles au niveau de l'éducation, alors que l'éducation est importante pour cette capture de dividendes Donc, je l'ai dit tantôt, donc il y a beaucoup de facteurs, hein, parce que les causes sont là et sont palpables. Par exemple, je peux prendre une cause qui est là, c'est les mariages précoces. Mm-hmm. Les mariages précoces et les grossesses. Vous voyez, une fille et un garçon, donc, sont au même niveau d'études. Mhm. Et c'est sa copine, c'est son copain. Mhm. Par exemple, s'il y a erreur de jeunesse, par exemple, la fille tombe enceinte. Mhm. Qu'est-ce qui se passe On demande à la fille d'aller, on sort la fille de l'école, et le garçon, au moment où la fille est en dehors de l'école, pendant sa grossesse, le garçon continue à à étudier. Tu vois que, donc, il y a, si la classe, on avait trois filles et trois garçons, on aura trois garçons et deux filles. Donc, vous voyez que le taux là-bas, ça baisse. L'autre chose, c'est, ce sont les mariages précoces. Tu sais que, aussi au Sénégal, notre société est faite de telle sorte qu'il est difficile d'allier le mariage et les études. Nous qui sommes des, des femmes mariées, alliées avec le, le, le professionnel, le, travail professionnel, c'est très difficile, à plus forte raison qu'une fille qui dépend de ses parents, qui dépend de plusieurs, euh, de plusieurs choses qui, qui, qui, l'entourent, et qui a un enfant, et qui gère un ménage. Et vous savez que le, ménage ici au Sénégal, donc notre société-là, elle est faite de telle sorte que quand on dit que la fille est, est, donnée en, mariage, elle, est, elle partage toutes les tâches ménagères. Mhm. Elle ne les partage même pas, mais elle, elle s'occupe de toutes les tâches ménagères au niveau de... Donc, alliée avec les études, je pense que là, ce sont des des difficultés. L'autre chose aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi la pauvreté aussi mhm. euh, qui, qui, est, qui est là. Parce que certains disent que, euh, comme on dit en Wolof, « Njangum jigen jarul sori » parce que da fay seyi » on sous-entend que la fille, doit, on doit la prendre en charge. Donc, ce n'est pas, pas, plus, pas important qu'elle qu'elle fasse des, des, études poussées. Donc c'est l'homme qui doit étudier, c'est l'homme qui doit apprendre, c'est l'homme qui doit chercher du travail. Donc mieux vaut promouvoir le garçon que de promouvoir la fille. Voilà, donc euh, cette idée-là que vous avez dégagée n'est plus une réalité actuellement puisqu'on parle de capture du dividende démographique, et que l'État a une vision d'ici 25 ans ou 35 ans, euh, avoir un pays stable euh, sur tous les plans, surtout sur le plan économique. Alors les filles sont là, Diary, donc comme vous l'avez tantôt dit. Donc cela veut dire qu'il y a un problème, et que c'est le problème au niveau des parents, l'éducation des parents, qui, euh, euh, à un certain niveau, amène leurs filles au mariage. Donc là, c'est les mariages précoces. Là, ce sont des difficultés. Mais aussi, on a des problèmes au niveau euh, de l'éducation des filles, parce que euh, je crois que ce sont les filles qui ne sont pas éduquées ou bien qui ne sont pas responsables de leurs avenir. <laughs> Bien sûr. <laughs> les filles sont très... Mais actuellement, vous voyez, bon, la tendance maintenant, les filles aiment beaucoup plus les étudiants. Il y Vous avez avec euh, le leadership féminin, mhm. avec le leadership féminin, qu'est-ce qu'on doit maintenant... On doit promouvoir maintenant les filles. Vous voyez, je te donne un exemple palpable. Au niveau des, des, des, des, structures académiques comme l'IEF et l'IA, il y avait, on organise actuellement, actuellement le 22, ce n'est pas une publicité, il y a l'IEF qui organise euh, euh, le Damel Mat, Linger, Linger mhm. Ça veut dire qu'on promouvoit les, les, les, les, les, matières scientifiques, comme les mathématiques. Parce que c'est au niveau de, de, de ces, ces matières-là qu'il y a, il y a vraiment euh, euh, un, déficit, euh, un, déficit féminin. Mm-hmm. Donc, au niveau de l'IA, qu'est-ce qu'on fait Donc, chaque 8 mars, on, organise ce qu'on appelle euh, Miss Science. Mm-hmm. Donc, Miss Science, Miss Math. Mm-hmm. Donc, c'est pour toujours, c'est pour faire, faire promouvoir aussi ces matières scientifiques, aimer ces, faire aimer ces, ces matières aux filles, qui sont des matières aussi qui bloquent. Parce que souvent, on dit que ce sont des matières que les, que les garçons doivent doivent, doivent, doivent, étudier. Et ça, ce n'est pas fondé. C'est pas fondé. On est, on, est tous intelligents. Mm-hmm. Donc, on est, on est tous intelligents. Ce sont des matières. Si on, on, s'approprie de ces, de ces matières-là. parce qu'on a vu maintenant, il y a des, des, femmes docteurs, il y a des femmes ingénieurs. Donc, dans il y a des femmes partout. Partout, partout. Mm-hmm. Et ça, tout, Qu'est-ce qui les a propulsés Ce sont les matières, les matières scientifiques. Donc je ne vois pas que, si vous dites que ce sont les filles qui, ne veulent pas ou bien que prendre leur, avenir en charge sur le plan éducatif, je dis que c'est non. C'est ça, c'est pas fondé. Ce qu'il faut faire, c'est de les accompagner. C'est ça. C'est l'accompagnement et le suivi qui, qui reste. Donc pour euh, essayer euh, de régler ce problème de capture démographique, comme vous l'avez dit tantôt, Diary Kamara, donc, la capture du dividende démographique euh, euh, qui est euh, un vœu de l'État sénégalais, c'est-à-dire régler le problème au niveau économique de l'État sénégalais. Donc, Gary nous a parlé des filles. Donc, le problème que rencontrent les filles au niveau de l'éducation. Mais Gary, est-ce que les études seulement étudier à un certain niveau, avoir un diplôme, pour régler ce problème. Parce qu'on parle de l'éducation. Parce que l'éducation aussi est un facteur euh, pour le développement d'un pays. Mais est-ce que l'éducation seulement, sans formation proprement, peut régler le problème du, capture Sans formation problème, avoir des diplômes seulement, surtout au niveau des filles. Non. Parce que si, si, une fille a un diplôme, le garçon, le garçon, le garçon, aussi a son bac. Mhm. la fille a son bac. Mhm. Hein? Donc je crois que euh, dans les entreprises, 100% des entreprises, on prend le garçon. Mais maintenant, les filles sont beaucoup, les, les filles sont beaucoup plus productives hein, que, les, garçons. Parce que vous voyez, maintenant, après le bac, qu'est-ce que vous constatez plus, tous les garçons optent pour aller à l'université. La fille, qu'est-ce qu'elle fait que il dit, Elle dira à son père, moi je vais faire une formation professionnelle. Je vois que sur le plan de, de, la formation professionnelle, les filles donnent, euh, carrément le pion aux garçons. Mhm. Ça, ça c'est avéré. Donc, bon, quand on parle de formation professionnelle, il y a beaucoup plusieurs filières. Et ces filières-là intéressent vraiment les, filles. Donc, le garçon, qu'est-ce qu'il aime Il aime aller à l'université, je suis étudiant. Et la fille, ce qu'elle veut, c'est avoir un cadre de vie professionnel ah, dans l'avenir. Donc, bon, je pense que ah, si on fait le sondage, je ne l'ai pas fait, mais ce que le constat que, j'ai fait, c'est que, j'ai fait, c'est que les filles aiment beaucoup plus les, formations professionnelles que les, hommes. Bien sûr, c'est démontré, les filles aiment surtout les formations professionnelles que les garçons, parce que nous voyons des filles mécaniciennes, des filles électriciens, et à chaque fois, dans tous les secteurs de développement, dans tous les secteurs économiques, on voit des filles qui demandent des garçons. Donc là, c'est la réalité. Donc, euh, Tata comme vous l'avez dit, pour régler ce problème du cap du dividende démographique, surtout en passant par l'éducation des filles, il faut que les filles aussi, après un certain niveau, vraiment euh, s'orientent vers la formation professionnelle pour avoir tout le travail et régler ce problème. Parce que l'État sénégalais ne peut pas offrir un travail à quelqu'un qui n'a pas euh, un niveau professionnel, qui n'a pas de métier. Donc c'est très important, avoir son bac, avoir ses licences. Mais où est-ce que l'État va insérer ce gars-là Donc ce sera très difficile. Et tous les élèves, tous les étudiants ne peuvent pas avoir de bureau. Donc il faut une formation professionnelle, avoir quelque chose euh, à la tête, avoir quelque chose en main, avoir quelque chose sur les pieds pour que l'État puisse vous insérer au niveau de la et, formation. Et plus encore, dans le leadership féminin, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat féminin. Mm-hmm. Vous voyez, je suis en face de moi une femme qui est là, qui tient une caméra comme tous les hommes. Et je dirais, je peux même dire qu'elle le tient mieux que les hommes. Ah, donc je peux dire que ce, sujet-là n'existe plus. Ça c'est tabou, hein mm-hmm. ouais. Ah, c'est dépassé. D'accord, c'est dépassé, c'est dépassé. Euh, donc c'est la vie de Tata Diari. Donc euh, les filles, dames, les pions aux garçons. chef, euh, Chefal n'est pas d'accord, Moussa n'est pas d'accord. Mais Yari, donc, je vous rappelle que c'est notre émission Précise Éducation hier, hier où était. On va parler du thème de cette année, la capture du dividende démocratique avec les collectivités éducatives. Et aujourd'hui, nous avons comme invité sur ce plateau, qui maîtrise ce plateau, Yari Kamara, qui est une maîtrise diplômée de collectivité éducative, qui est une enseignante spécialité à l'INERGIA, donc euh, qui œuvre euh, pour le développement et euh, la formation intégrale de l'enfant, mais surtout avec les filles. Gary, on va euh, tourner la page un peu, euh, parler en langage de courte pour introduire les parents à participer à ce thème. Donc, Gary donc voilà, donc on parlait tantôt de capture du donc que le Sénégal dafa bëgg ak 30 ans Sénégal am jamono ñu que wax ndax li yàlla bind ci doomu aadama àdduna bindee noonu jigéen yi ñoo ëpp góor ñi fi mu nekk nii. Mhm. waaye euh, nombre jigéen bi nga xam ne dafa ëpp góor ñi am na noo xam ne bu ñu ci góorgóorluwul rek euh, réew mi waxuma Sénégal sax waaye àdduna bi dina yàqu. loolu nag pour mu bañ a yàqu nag il faut ñu fexe ba jigéen ñi euh, fexe ba jéem a mënal seen bopp du émancipation nag Euh, mais dafa nekk loo xam ni système de développement la boo xam dafa war a yor réew mi ñu am fii ne suñu xarit naataango jaari camara bi nga xam ne moom la ngi teewal fii pour ñu wax ñu ci yaru jigéen ñi mu dugg ci tuuti jaari jigéen ñi ñoo fi ne mhm. yaakaar ci éducation mhm. góor ñi defal tuñu kenn da ngay tax sa jabar sax ni ko demal liggéey léegi xale yu góor ñi sax. dañuy naan jabar ju dul liggéey duñ la takk. voilà <laughs>

cas social mooy tëdd ko nelaw yewu euh, vraiment donc motax ñi euh, ñaax jigeen formation yi am astuce bo au moins dañ ci demal seen waaw parce que dama euh, état bu démé ba teug ab témam mhm. capture du dividende démographique ne faut bëgg que capturer dividende démographique je pense que ni euh, ak lu société développer Nous mënoo nous te jaaroo ci li nga xamante ni éducation. Mhm. defe naa ne ñaari volets yi muy santé ak éducation ñoom ñoo li nga xamante et je pense que l'éducation, éducation nag suñ koy wax. Mhm. Euh, dinañ dinañ laal ñuy laal surtout parce que dañu nekk ci société boo xam ne jigéen ñoo ëpp. comme jigéen ñi ñoo ëpp ñi capture pour ñu une bonne capture du dividende il faut que la population active.

souvent da ngay gis tendance bi jigéen ñi ñooy ëpp góor ñi mais dem nañ ba nga xamante ne bu ñu demee au niveau secondaire lan la ñuy seetlu dañuy dem ba góor ñi maintenant dañuy wàcc dañuy yéeg jigéen ñi seen niveau daal di wàcc loolu ñu ne lan moo ko indi ñu ne am na ay facteur yu bëri yoo xamante ne ñoo laxasaayu nekkee benn bi teel maye bi nga xamante ni moom la ñuy teel a maye xale yi jigéen ñi. beneen bi mooy ëmb bu teel bi nga xamante ni moom la xale yi ji ëmb lan moo ko indi mooy la sexualité précoce. nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci cellule yi loolu dafa nekk suñu liggéey ñu màcc ci ñu koy ñu koy saytu di sensibiliser xale yi. loolu bokk benn ci beneen bi tam nekk na ci benn blocage boo xamante ne matière au niveau secondaire matière scientifique yi nga xamante ni ñooy tax xale yu jigéen ñi gën a am niveau. Euh, niveau propulsé pour jàll dem am ay ay ndombay tànk yu rëy donc yooyu itam nekkoon na benn bloc sax xam jigéen ñi dañ ko xale yu jigéen ñi dañ ko ragaloon. Mhm. mais tendance bi mu ngi mi ngi changé. Mhm. Mhm. voilà effectivement c'est effectivement Diary tu as parfaitement raison donc loolu rek lañ ci xamal jigéen ñi mooy euh, ni ko jaari waxee lu am solo la donc parent yi aussi nañu aider seen doom yi ci wàllu njàng woowu xale baa ngi jàng. dembe euh, def examen nga ne da koy may jëkkeur loolu facteur bloquant la ndaxte capture du dividende démographique bi on a l'éducation mais aussi on a la santé xale bu jigéen bu demee ba nga xam ne na la lor donc santé day dugg ndax hmm. dootul wérété té ku wératul to doxi say soxla

alors loolu mënatul ne parce que jigéen ñepp mën ñoo nekk mu naan ñepp ñëpp mën ñoo nekk ci kër yi donc euh looy looy looy ban appel ngay lancé foofu au niveau des des des élèves euh, surtout. appel bi may lancé au niveau des des des des jeunes moy que ni xalé yu jigéen ñi ñu xamné ñom ak goor ñu tollawuñu chance parce que déjà yalla bi ñu bindee def leen ñom goor def ñi jigéen rek la chance yi déjà tollawul légui lan mo lay may chance li lay may chance moy que yow nga xam parce que lenn rek ngeen muy xam xel mi ñun ñëpp kenn gënul intelligent kenn ku nekk da intelligence bi nekk mais intelligence boobu da koy développer koy cultiver naka nga cultiver nga bañ boy ñu naan sa déjà wax nga ko sànq gis nga euh, njàng dafa fiir gis nga bi mu li injustice bi njëkka a loolu nañ ci réfléchir injustice bi njëkk am mooy dañ naan ku góor ki day continuer jàng yow ku jigéen ki lan ngay def dañ naan la demal nga toog ba bu njëkk ba sax dañ lay dàq école mm-hmm. mais léegi avec la lutte maintenant vraiment bi nga xamante ni ñooy lutter pour que jigéen ñi mën a yàgg ci école yi euh, dafa dem ba nga xamante ni léegi dañ naan la léegi soo ëmbee ba toll ci benn niveau bi dangay jël euh, euh, da ngay jël lan lañ koy waxee sax congé nga dem toog ba nga wasin après nga doogay ñëwaat reprendar sa jàng mais tu perds une année mm-hmm. même bu fekkee may nañ la nga dellu si perdre nga une année imaginal at nu mu nu mu toll une année scolaire mu génn ci cursus scolaire wu doomu aadama boo xam ne une fille très intelligente imaginal loolu lan la koy gàllankoor mi ngi mel ni rek yow nga wàññiwaat sa at benn at donc si sa vie professionnelle sax daf lay topp ba sa vie professionnelle donc xale jigéen ñi nañu nañu xam ne nañu muus ci loolu beneen bi mooy bu ñu nangu aussi teel a sëy bi ñuy teel maye waajur yi foofu laay interpellé parce que njàng tamit dafa fiir nga maye sa doom boo ko xasee ba maye suñu société dañ naan boo xasee ba maye sa doom amatoo ci moom droit jëkkër ya am droit ñu bëri ñu ngi bàyyi seen njàng ba pare intelligente ba bëgg parce que dañuy dugg ci sëy sëy boo xam ne xëy na waajur ba moo ko sàkku wala amaana sax moom moo ko sàkkul boppam mu dem ci belle famille ba belle famille ba mënuñu koo supporter muy xëy di gàddu saak di dem ñoom ñuy toog donc ku ne xam na ni sëy bi booy sëy di nga sëy ak njëkke sëy ak goro sëy ak rakk jëkkër ju góor sëy ak nijaay sëy ak umpaañ ñooñu mënuñu la supporter loolu chance ngay am nga toog ci famille boo xam ne compréhension sinon tu es obligé de naître nekk nga nekk la bon de la famille te njàng mënta ànd ak leneen dafa fiir c'est que ñi am suñu jëkkër yi ah ba pare am suñu liggéey ñun ñoo am problème di ak ci xëy ba dans le cadre professionnel à flux xamante ne xam dafa war dugg ci boppam te xam-xam buy dugg ci dafa war a dugg ci bopp bu toog

au développement de l'entrepreneuriat ou bien de l'entreprise parce que si vous ci un entreprise par exemple si vous avez une entreprise il xam que les femmes mariées. si mhm. ñëpp wanee lor entreprise avec les congés euh, euh, euh, médicaux c'est ça le problème donc l'État doit penser à ça. donc dina jàppale jigéen mais jigéen boo xam ne saa yàq sa njàng état doot ci sonnati alors que état day sonn ci góor ndax góor moo am avenir dans euh, dans la formation professionnelle góor moo am avenir dans l' économie pays ndax li góor attan jigéen attanu ko mooy exemple bi wax rek biir entreprise boo dem jigéen bu ci war na lor ñu may la congé médical mais entreprise boo xam ne ña fa nekk ñëpp jigéen la ñu wala ña fa ëpp jigéen la ñu bu ñëpp war na lor ci benn mois entreprise ba fan la jëm. c'est ça le problème donc jaay dama fekk rek du ma dog. dama non dinaa la dog foofu dinaa la dog parce que loolu mënul nekk. si man déjà entreprise déglu ma rek gis nga jamono dañu toll jamono joo xamante ne heureusement sax loolu bi muy xew. booba mhm. fekk ne jigéen ñi bëgguñu dugg ci ci mujj dans le mais bi jigéen ñi duggee song monde professionnel bi le monde ñun dañu gis nga nii nii nii nii kii bi développé nii ah. ñun non la suñu esprit ñun on évolue en fonction maintenant du système ñun am nañ suñuy tactique yoo xamante ne moom la ñuy def ba nga xamante ne ñun suñu bëggulee nek en état du nek en état

c'est révolu on a la formation professionnelle comme Diary l'a dit nous on toujours des bains. mais surtout le message qu'elle a lancé au niveau des jeunes filles c'est un message vraiment un message de sage donc c'est très important euh, le nombre de filles actuellement dans le monde domine largement le nombre de garçons surtout donc surtout la jeunesse actuellement nous avons dans le monde une population jeune et pour une émergence ou bien euh, régler le problème de sa capture du dividende démographique il faut que la population active, comme elle l'a dit, supporte la population inactive qui est tellement large, cette population. Mhm. Alors, on pense aux jeunes filles actuellement qui doivent relever le défi, euh, surtout dans l'éducation mais aussi surtout en visant vers la formation professionnelle Diali wax amna solo digeñu donc mooy message bi ñu di wax rek ngeen bàyyi xel eh, ni njàng lu am solo la eh, njàng leen jàng leen da ngeen wara jang eh, li góor mën digeñu mën nako légui parce que avec le développement de la technologie comme elle l'a dit amatu fenn fo xamni ne jigéen mën leen góor ñi mën leen demee point lu ci jàq ja bu dul ci jàq lu baree baree bare ci secteur yu bëri yéen jigéen ñi mën ngeen faa jiite góor ñi mën ngeen faa tollook ñoom mën ngeen faa ànd ak ñoom ba liggéey kon da ngeen war a gëm seen bopp et je jaar yi. dañ fay ànd sax parce que moom leer na nañu ku nekk gis na léegi jigéen ñi vraiment le leadership féminin moom moo ngi daw bu baax léegi boo setee petite entreprise yi moyenne entreprise yi grande entreprise toutes les entreprises yi nga def munoo wàññi ñaar ñett te doo gisoo benn jigéen bu jiite. Hmm. et li ñu seetlu mooy sur le plan produit sur le plan productif jigéen yi bu ñu jiite entreprise bu ñu jiite mooy gën a productif que entreprise bu góor jiite parce que jigéen bañkat la. jigéen bu jiitee day bañ parce que yéen ñun bu ma la jiitee yow yow jawe mm-hmm. da ngay bañ man ma may ma danga damay bañ yow man nga yepp ma parce que da nga naan ma xamul dara mm-hmm. gis nga le mot ku jigéen la xamul dara boobu wala mënu ko dooleem attanu ko man daf may pousser à ce que may gën a yokk sama lu ma mënul sax damay dem utiwaat abbiwaat xam-xam wala ma jënd ji xam-xam wala ma ñaani ji xam-xam pour mën la wan yow jawe yow da ngay góor rek may jigéen mais xam-xam bi moom ëppoo ma ko mm-hmm. donc tu as parfaitement raison as parfaitement raison, ko dafa raison, tu itam tu euh, as ay tu as aussi tu as am. tu as parfaitement raison te bu objectif. voilà tu as parfaitement raison, madame as ak Moussa à ñaar parfaitement kii ku ma compétence yi la ñuy xool mhm. mais góor ñi parfois ñooy yàq société yi lu tax ñuy société yi damay xool ni ah jaar yi wax dëgg yàlla allah patati patata ma defal ko faveur Moussa moo góor la sama yoon nekk ci mën a ngi pousse alors que yow viser vos compétences parce que dañu toll si air boo xam c'est l'approche par les compétences et à tous les niveaux au niveau éducatif au niveau à un niveau au niveau professionnel lépp c'est l'approche par les compétences nañu mêlons euh, aux américains yi track la ñuy def gis nga boo amul compétence nañ la fa bàyyi on vise les compétences on donne les chances. merci beaucoup on vise les compétences on donne les chances donc euh, tout le monde inclus euh, dans cette vision de compétences pour que.

Euh, dellu si waat naa fii ci plateau prestige education di leen signaler prestige santé aussi mi ngi ñëwaat di dalaat sen kaw ak ci fem yu bees tàq di remercier euh, jawé yow la njëkk remercier parce que ya tax ma gëna a dellu si ci plateau bi ma ngi won ci bagage yi bari won na mais xëcc nga ma euh, wax dëgg yàlla di la remercier namon na trop nak prestige waaw nam waa prestige commencé ko ci ki nga xamante ni mooy PDG ba ci suuf maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp mais di nuyu sama équipe bi ma fi fekkaat euh, euh, gën naa kontaan di ko commencé madame Diakhaté Moussa ah, ak euh, Cheikh vraiment di def un coucou à Oulaye kii nga xamante ni moom dafa feebar nekko maa ngi koy nuyu di nuyu aussi sama doom sama xarit Ramatoulaye di ko wax bébé bi na am santé de fer et une longue vie macha allah kontaan nañ maa ngi kontaan bu baax a baax a baax si dellusiwaat si si plateau bi tonton Ndiaye li may wax nag mooy jigéen ñi euh, gars yi bu leen bàyyi gis nga njàng mi kenn toogu ci xam-xam bi kenn toogu ci te toog nañ foo xamante ni ñun jox nañu suñu chance mu jigéen ñi ba mu mat sëkk chance bi nag ñun ñoo koy saisir suñ ko saisirul mu dem bàyyi ñu fii góor baax na jigéen baax na bul yàlla rek moo xam ku bon te defe naa ni ñun jigéen ñi wax dëgg yàlla ñoo jur ñëpp mënuñoo bon. kon maa gërëm ñëpp di sant ñëpp merci. merci Tata Diary moo nekkoon suñu gan euh, précise éducation tay ci émission bu bes bi nga xam ne nañ ko muy éducation précise euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, tay nag ñu doon waxtaanee l'éducation des jeunes filles pour un Sénégal émergent ou bien l'éducation des jeunes filles pour euh, assurer ce capture du dividende démocratique qui est un thème national et que chaque année le ministère de la Jeunesse dégage un thème. Diarina Nyonti, Franck Fatchoko, après euh, la campagne qu'elle a vécue, la campagne des cultures éducatives, nous avons eu tous les arguments qui ont été faits. amana la les jeunes filles qui ci en tant que pour que a le Sénégal kanam la population euh, féminine plus large et beaucoup plus nombreuse que la population euh, des garçons donc loolu lu am solo la merci beaucoup Diarou Diary ci teew bi le ci plateau ñu ngi remercier le directeur de la Pabdoumbia di remercier équipe technique l'équipe équipe de production Prestige TV di ñaan fait euh, ñu fekkee waat benn émission ci ferme, une ndax rubrique yi bëri na ci éducation dañ jox dig daje ci beneen émission précise éducation ànd ko suñu conseil Diary Camara merci beaucoup.